le 4 avril, c'est la fête nationale. Moment euh, euh, ne peut être plus solennel. Je pense que c'est l'occasion aussi euh, de dire que j'ai eu à inviter les autorités de la gouvernance comme les autorités militaires à Thiès. j'ai eu à les, inviter donc, à prendre leurs responsabilités parce qu'il y a quelque chose qui se passe depuis trois ans à Thiès. Le président du conseil départemental euh, se présente au défilé sans écharpe. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est la troisième année consécutive. Je pense que quand nous parlons aussi de respect des institutions, ça commence par cela. Si le maire de la ville et le président du conseil départemental sont invités à venir s'incliner devant le drapeau, ils ne sont pas plus citoyens que les autres. C'est parce qu'ils occupent des fonctions et au moment, disons, de l'élection, en nous remettant les écharpes, on nous avait clairement dit que c'était des écharpes à porter à l'occasion, aux occasions, lors des occasions solennelles. Je pense que l'occasion ne peut plus être solennelle que le 4 avril. Alors, donc, c'est un appel que je lance pour que la prochaine fois, que cela ne se répète pas. Nous l'avons dit dans des bureaux, apparemment ça n'a pas fonctionné. Euh, mais si on ne le dit pas aussi, on tait un certain nombre de choses que nous ne devons pas taire. Vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Donner l'impression, euh, se sourire euh, pour amuser la galerie. On n'a rien à se dire. On ne pense pas de la même façon. Euh, Woro. waroo waaw dañu Woro. xam nga euh, certains disent xam nga nit dafa ne ki nga loo ci xalaat ma ni ko wor kii wor juróom-ñeent lañu juróom-ñeent lañ non juróom-ñeent ñiy wor juróom lañu ki leen fukkeel mooy ki ne da ngay wor nga ni waruma alors xam nga li am solo mooy nit ku nekk boo nekkee ci benn société da ngay comprendre la fay dox ngay jël say matukaay te xam ne euh, àdduna du benn fan du ñaari fan. lii nit di wax tey ëllëg réalité da koy atte li ma bëgg a wax daal waa Sénégal mooy euh, xaw ma ndax ndax xaw ma ndax dégg nga wolof xaw ma ndax dégg nga li wolof di wax maf ñaandu dégg nga loolu maf ñaandu tubaab moom lay wax monter à cru moo xam fas la moo xam mbaam la moo xam gileme nga war ko te amul teg di xam nga signal tamit wolof dafa ni bëgg a war su la taxee maf ñaandu signeel nee na loolu liggéey ti di ko jëndee teg waaw waa Sénégal laa laay bañ ñu maf ñaandu signeel